Aïe salon en tissu Aïe salon en velours tout bas Ameublement nous vendons ce que nous fabriquons nous fabriquons ce que nous vendons Au nom Hôtel Dakar le chic en toute simplicité wetti gis mayonnaise chef Aïda rek ci goût qualité sécurité ak hygiène amul dendandoo ci mim rew. Yay chef Dija Shop Nicodie, Nene Yaya, Lady Muna, Noblesse, M60, Cap Design, Nabo Création, Grande Royal Chic, Diamond Shoes, Calmise, Fine Aiguille, Maktoum, ما يداخدي دم من يودان الماء ما يباقي جوك بنت يمام Je t'ai dit que ça ne te concernait pas, mais vu qu'on arrive au terme, il faut peut-être ma femme li réaux. De quoi tu parles Les filles dont Salib avait besoin, c'était pour trouver un cœur compatible pour sa fille. Donc vous comptiez vous servir parmi mes filles Si ça allait tomber importé moi Il fallait surtout trouver un cœur pour Diorchodom. Et il a trouvé un cœur compatible. À cette heure, on n'a que récupéré déjà. Kanla Binta. Je crois que c'est Binta. Mati il faut qu'on cherche Binta Qu'est-ce ko tu Ça Sali comptable bi ñu donne cette Papa Ramala prise de sang il mu donne def pour trouver peu pour Ramala et c'est tombé sur Binta elle est en grave danger. non non non pas elle elle vient à peine d'arriver oh mon Dieu. elle est arrivée au mauvais moment ou au bon moment selon point de vue. Des les choses du bon côté. Elle aura servi à sauver une petite fille. Il s'agit de la fille de Salim, l'élève de Linda, Rama. eu il a li dal c'est parce que c'est de ta faute. En effet. Donc ça t'arrive de culpabiliser. Mais je suis pas un monstre. J'ai un cœur. Et puis, ça Salif et sa fille, ce n'est pas de leur faute. Salut est au courant. Sur le mes femmes détail c'était pour te dire que c'est fait l'opération aura lieu demain mais ne t'en fais pas tu seras compensé à ta juste là. ma quelle est la valeur d'une vie humaine

Votre femme a eu quelques complications. Elle a perdu beaucoup de sang. Le bébé est affaibli. Donc, on va accélérer l'accouchement. dinañu def lu ñu mën mais il va falloir que si ñoom ñaar kenn. Soda Soda ngay sauver. Damel defal nànk rek dañ ciy waxtaan ak moom lépp waxtaan la rek. Maria jaru ko jaru ko bu amee kenn ku ci na doon sama jabar mom ben la te doom ju juddoogul mën nañu amat d'accord léegi dina la bay nga waxtan si ak sa soxna caméra. merci merci docteur. yalla baxna na dama yàlla baax tuddal yalla baye li ngay def. dis que tu sais qu'elle est en danger. Maman, on va lui prendre son cœur pour sauver Rama. Donc tu savais que tu mom dougal ko ci yow? Bana yow nak nga bëgg bayé ba à la dernière minute nga toute wax? Façon c'est trop tard. Tu nañ ko ba palé té xawma Et ils ont prévu l'opération demain. Lol da fay yomb torop. Té Bana ya ngi wax comme si yow da nga and ak ñi Mati, j'ai beaucoup à perdre dans ce combat. Et Boulène Fateni, je suis plus en danger tu que vous. Tu peux trouver un moyen d'ici demain. Mën Yo comment tu veux la sauver? Nous, trois pauvres filles dans un endroit rempli d'hommes probablement ak seeni garde te xamuñu fu mu ça c'est se suicider. Tu quoi nga dëkk ak professeur Job. Tu fais mënoo sax xam fi Binta Je je peux pas me calmer. alors Cheikhou Aïcha dafa nar pas pas par ma faute. léegi eh, Rama... ñu ut beneen xol bu ñu ko jox. rey lu je sais pas je ne sais pas. je suis vraiment désolée mais on peut rien faire. tu as raison li ma suis que professeur il faut que ça serve dinaa fexe xam fu ñu nekk je te dirai où c'est Madame, je maa ngi nii di ñëw indi bagage day ok waa baax na si kanam chut encore toi loo fi def damel Yo ma yow douma da doo may jàmm damel ak dégâts yi nga fi def nga Yen damel yan dégâts laa fi def yéen stress bi ngeen teg sooda ba mu am ay complications instant bi mook doomam mën nañ si décédé hôpital la jëm nii seeti damel lan mu naan lan muy soda, muy doom bi ku si décédé tu l'auras sur la conscience tu as même ma jàll man may foofu yëpp. kusal fii. fille? Ndoye. Bonjour madame. Ça va bien ami. Très bien. va ah, très bien. Salut. Ça va bien. Je connaissais ta voiture ici, on prendra la mienne. D'accord. Je veux venir. Oh, ah, ce n'est pas un endroit pour toi, Maman, si je suis de ton côté, c'est pour l'être jusqu'au bout. Et puis, il s'agit d'une de mes filles. Au moins, Amna droit à au dernier moment de sa vie. Je lui dois bien ça. Attends, tu ne me fais pas confiance. je ne suis pas Linda. Soit. Mais euh, je veux que tu restes à la maison et que tu t'occupes des filles. D'accord.. En ce qui concerne ma petite licence, je n'ai pas encore prête. Ouais, d'accord. Calme de flamme. Ah, Mamboy, c'est trop beau. Oui, maman..! benen yon nak soy dem nga bëgg ko nga bañ ko dina la gungé si je suis avec toi c'est pour dem si ba t'entends Malamine tu es devenu trop doux avec l'âge fekkee dafa bëgg ñëw xool bàyyi ko mu ñëw sama deret la yow tamit fekkee ñu lay c'est pas donné à n'importe qui ça, le ma ko mënul <laughs> dégg

solo liñ ko teg dafa bari donc duñ ko fi tegaat leneen mu koy yokk stress j'assume entièrement ce choix ça va aller متعطشة في أيضا نعمل ست Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres ou sur internet www.héritagecouture.net. Bienvenue chez Bamba Partenaire. By Modo HLM.

Retrouvez votre série de et Moussé chaque lundi et jeudi sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Retrouvez votre émission Je te surveille du lundi au vendredi sur la 2 TV et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Retrouvez votre série Belle Famille tous les jours sur la 2 TV et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. On est en train de préparer le plateau. Dès que nous avec on va commencer l'extraction du cœur. Je ak avant. Euh, oui mais euh, vas-y mais jarul yàkkamti hein, n'est-ce pas ta fille a le temps. <laughs> arrête ton sarcasme Lauda, ce n'est pas le moment. désolé je voulais juste détendre l'atmosphère. Ton métier t'a rendu cynique, mon ami. C'est le seul moyen de garder son esprit intact. Le comme heure bi, <laughs> daf nga ba pare wala daf nga ba pare. daf naa déjà waaw loolu mën na nekk tamit.

Andiamo dove la vita. Siamo io ne così sale. Tecca ma lava. Tecca ma sale. Niriana tecca ma. Sale. Cosa mo? Tecca ma sale. Carende é, ma lava. Mais à propos, notre é salut là, mais é. Il est trop sensible. Hein? Et c'est normal. Khamouli. Comptez Khalis là. Mais Khalis aurait le don compter. C'est un peu hypocrite, je trouve. Et bien, quoi, il La le avec le fait que c'est nous l'a affecté de la même manière. Mais c'est bien qu'il y soit confronté, les gars. Mohamed, la transaction, il m'a donné gérer. Les Korans, avec les Moudjars. Alors Linda, c'est trop dangereux. Je sais, mais il faut que nous dem tout de suite. Nous n'irons nulle part. Lan Eh, qui l'a fait def Man m'a pour moi and ak yeen. on ne dégue. deug. Bu dé yeen ñaar on a aucune chance. Et en plus, j'ai une solution. Eh, amuñu temps bu ñuy perdez. Il faut que nous dem légui tout de suite. Non, mënuma len bay y dem. am naa contact bu fiable bu nekk police da me may transférer localisation bi ma yónnee ko mu def fa police ñooñu police mënul leen dara seen loxo le papou Wos deewee yaa soga soog a fekk si xaritu duma nga moo tax soo yàggoon si lii comme ñun di nga xam ne mënuñoo wóolu kenn police. kim mu leen di wax c'est quelqu'un de fiable. fiable. et de toute façon je vais pas vous laisser partir ngeen dem foofu risquer seen vie ñu leen di jàpp li ngeen tabax ba yegg si fii yëpp mu daanu ci benn fan. pense à ta sœur suñ ci feeñee moom tamit def ci feeñ loo bëgg paa bi rey ko. Donc je pense qu'on est tous d'accord. yónnee ma localisation mon transfert transféré ko contact je vais me débrouiller pour kenn ñun li bu ci kenn ñaké ba kenam duma ko bal sama bop de yow ya, eh ñak nga da torop loolu nga yo xina kan da damel jaral tu ko yow cagaa doomu caga da jër yërëm Ko yërëm yaay xari caga bi ngay wax sa seud la de xoolaatal bu baax li ngay wax de mukk ci àdduna bu ne sama seud la de yo xamul lu ma bëgg ubbi sa bop bi nga def ci ndox gis nga da ak la bañuma ci ba sama madame respect wool médecin am nañ problème xale bi siège lay ñëwee tu respire respire damaa bëgg na nga fendi nga naan ma caga bii caga du dagg sama kër kii daa jër dara ah. li ngay def bu baax de fii amul lu may seetaan xanaa yow ñaanoo yàlla euh, sa yëg da mel yow kañ nga di sax nii gii waye di looy ragal maa sa ginnaaw jëralu ma la sa yëg da xanaa dootoo doomi géwél caga Il y a defal sa bindor. Je vais mourir bye, Madame Respire tout doucement. Respirez. Ça va, madame En commissaire Bonjour. Bonjour. Comment information mo ma jot léegi Mo motu boram ni ni ni. information boobu mbaa wóor na. waaw moo tax ma wax directement pour bañ kenen di ko yëg info bi di je peux voir de quoi il s'agit. mu ngi nii lañ ma envoyé. madame. La dilatation n'est pas bonne, on va essayer de faire la césarienne. Je ne fais pas de césarienne. Si c'est trop risqué pour vous, on va essayer de vous sauver avec l'enfant. Monsieur Allez-y. Je ne fais pas de césarienne. Appelez l'anesthésiste. Préparez le matériel, s'il vous plaît. yaa yow nu ñu nga ma ko xelam dal de ah waaye man sama xel dalul nag fu mu nekk nii. xel bi moom lu ko dalul. ah suñu doom jee tëdd ci hôpital am doom xam nga yow solo warul nekk foofu man ma nekk fii. si nee naa la kooku dama ko ràññee bàyyi la ma waxu sooda bul ma wax na. amee ah, lan mooy bul ma waxi sooda sooda du doom boo ko taxawoo danga ko war a taxaw boo ko taxawul man maa ngay dem taxaw ji sama doom. nak ni nijaay ya, yow waaye yow mosoo juum yow. Ya. gis nga djum da fu mu yem. fo fo fo bëgg dem Dakar. suma dem demul Dakar lu may def ma demul. damay bay sama doon ñu la ñew tok fi di xolé yow kese mënoo dem Dakar. jugal nga gungé ma bu da ngay dem. man dem ma Dakar jëkër ma nga fa Maria ma nga fa té lool dong la doon ci wosir xanaa. ndem sama borom ak may ak sama ki. damay dem toganu sama dom. sama dom la nak damay dem toogaan ko ba yàlla may ko boppam man loolu laay def. man nuyu ma leen. waaw baax na ba tey dafa dégg. Attends, je demande à Mathie si elle Oui. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Est-ce qu'il y a une vie après celle-ci Saudeloussé, tu nous diras. L'ambition. naan di nga une vie pour une autre. lépp bu jigéen bi tëdd xolam bi Saliou rek la bañ moom Saliou yaakaar na ne doomam jooju bu ñu jëlee dënnam boobu daf ci xolu kii nga yaakaar ne doomam jooju est-ce que dina ko mën a bëggati c'est l'occasion ma xam ndegem xol fonction mooy pompe deret rek wala déet xol day yëgit boo ko jëlee ci dënnu jàmbur dugal ko ci beneen dënn daa ko xam tiens commissaire professeur Diop que me vaut l'honneur de votre visite ici aw aw eh Aïcha Oh. eh lan la metti mais qu'est-ce qui se passe xaw Aïcha eh lan moo lay metti Maï.. amène de l'eau eh Oh. Aïcha écoutez il va falloir que vous fassiez un peu plus attention am ñu ba c'est une information anonyme quand même heureusement ça benn élément tu parles d'une fuite J'étudierai cela. Et ton homme qui a reçu l'info Et j'espère euh, être compensé à la hauteur de tous les organes récupérés. Oui, bien sûr. T'inquiète pas. Professeur job. Je retourne gérer l'ordre. À très bientôt. Bonne journée, commissaire. je شوية تعال pas. Je sais même pas. Aïcha, qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui t'arrive Parle-nous. Hein? Aïcha. Aïcha, parle-nous s'il te plaît. Lala.